Moussa Djahate, Abdoumbaou le suivant. Bonsoir, Monsieur le Président, chers collègues, Messieurs les ministres. Monsieur le ministre, si je devais donner un titre à cette journée parlementaire, je l'aurais appelé Le progrès par le dialogue. votre dernière présence dans cette salle lors du marathon budgétaire, on a assisté à des scènes qui n'ont pas honoré notre Parlement. Aujourd'hui, à un garçon qui porte l'un des meilleurs noms, Mohamed. Ça, c'est du progrès. Hein. Deux, Monsieur le ministre, nous étions, avant la d'être tous maintenus à l'époque sur le seul mode de parrainage citoyen. Aujourd'hui, on a une palette de choses, c'est encore du progrès. Ainsi va le monde. Troisième élément, nous sommes en train de parler d'une évolution dans l'approche des mécanismes pour traquer les délinquants financiers. Jusque-là, aujourd'hui, nous allons assister à ce pool financier euh, qui, va remplacer la CRI. Parce que moi, j'avais un problème sur j'avais ce problème-là, c'est pourquoi je n'ai jamais soutenu et je l'accepte. C'est un principe. Aujourd'hui, lan lañ ñu andil lu bees c'est important pour Sénégalais yi ñuy seetaan gën ndax fii ak 10 ans gëm naa li ñu andi daañu ko soppi mu méngewaat ak jamono lan moo bees mooy ni ñi ñëw ñi ñu fal ay magistrat loo xam ne li ñu leen di tagat dañ leen di tàggat ci nan la ñuy saytoo ku luubal

ni jangal nañ len waajal nañ len tagat nañ len parce que li wax yëpp dafa tegu ci yone and ci ben fil loolu rek liñ demander on n'a pas demandé autre chose maintenant sous du discours évolué on prend parce que insolence violence arrange nit soppé ko commencé soppé ko légui di on apprécie et on demande ñu continuer dans cette logique mais li am solo ba am solo moy ni bu dialogue amuloon li du am dialogue ko andi c'est là où je dis quand on salue et on respecte tous les acteurs de ce dialogue rien ne lui obligé qu'il le fasse il l'a fait et des décisions de consensus sont sorties on est en train de l'appliquer Kenen kum mu ni lañ ko war a may wax nak ni politique du yefu xol yefu xel parce que en politique on rek na axé sur des principes avec des mesures ndax ku ci xëbër xëbër dem bo liggéey yow ya ci rus yow des politique comme c'est dynamique je reviens encore une fois demain nous allons revenir changer code économique dañuy jógee ci pays bu doo amuloon pétrole dem ci pays bu am pétrole jawli ci jamono jo xamni ne ni xeetu luubal yi détourné yi dafa am doole bo xamni ni suñ amulé instrument yu ba paré itam ñu tollok jamono jo xamni même par rapport aux hommes politiques par rapport aux partis politiques on soupçonne parfois yenn avoir yo xamni ça nous étonne comme suñu nous réunions, c'est comme une belle mariée qui attend un bon mari il est important qu'on le dote des instruments capables d'être à la hauteur pour porter cette euh, pour combattre cette traquerie financière-là au niveau, au niveau national comme au niveau international.